Papa Sambali inspecteur départemental des sports de Saint-Louis. Pape Samba tu es ngi ñëw euh, fii euh, superviser li euh, championnat national bi tour préliminaire zone nord bi nan nga gisee organisation. d'abord je veux féliciter le niveau national bi ñëw fex nundar. fekk képp ku xam Ndar xam na ni lépp fii la commencé woon mais je pense que dañ delloo buum ci mboy mooy bi rek quoi malgré que Dakar xëy na sport ouest, bees la Dakar la koy mais quand même Saint-Louis ci lépp lu ñuy def ci initiative bi nga xam initiative bi nga xam ne day tax affaire nit quelque chose développé te souvent su jaaree Ndar moom yàlla da ciy teg loxo. je pense que loolu la mais pour tey pour euh, un début je pense que euh, c'est un coup de maître malgré que organisation souvent c'est pas c'est pas parfait. Mais quand même, je pense qu'au moins, euh, les gens sont venus répondre à l'invitation. Le euh, club est déjà venu nous et ensuite, supporter ambiance. Je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Alhamdulillah. Comment le euh, niveau de jeu sans Saint-Louis Le niveau de jeu, c'est acceptable. Hein. Moi, je pense que déjà, ku saint déjà à disposition mais comme sport vous baisse le temps est adapté ou donc pose poser problème déjà le ballon bi parce que tant on jouer avec ballon ballon ballon il a fallu que nous jouions deux à trois matchs pour nous adapter par rapport à donc euh, au jeu je pense que l'entraînement, euh, entraînement yi amené le matériel qu'il faut déjà table c'est bien c'est mis à dispo maintenant peut-être il reste que il reste euh, ballon yi avec l'encadrement qu'il faut vraiment pour parfaire tout cela justement les joueurs ils ont lancé un appel pour dire que l'Autorité n'est pas gën a euh, pour ñu gën en am compétition Lors le tax ñu gën a mën a wane seen bopp ci ci ci mbir mi mais aussi beaucoup nañ lu jëm ci wàllum euh, outils comme ay table ki yoomi seen euh, club yi am et voir plus plus de clubs fii voilà, absolument, parce que euh, ce n'est pas pour rien mon fille, parce que je gère tout ce qui est sport au niveau départemental. Euh, c'était pour ça, c'était l'enjeu. je euh, vraiment les les autorités. je pense que l'on ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous, on fera le nécessaire vraiment pour accompagner. Euh, man je pense que euh, au-delà li nga xam état moko mom sport ko xool xam xam prérogative d'état la amna yenn euh, compétence yoo da ko transférer au aux collectivités territoriales mais ensuite amna na leen li nga xam ne aussi euh, muy structure délégataire de pouvoir ñoko gérer ñom ku nek amna amna am na lu lu nga sa sa la et je pense que l'un dans l'autre si si on s'y met je pense qu'on pourra trouver vraiment donc disons la la solution moins que euh, ces techniques et outils adaptés sont table déjà table avec le comité euh, maintenant à notre disposition je pense que club aussi en relation avec les mairies qui sont là on trouver une parade pour régler surtout ces outils euh, techniques que sont le ballon que vraiment euh, des, des, séances, de, formation, pour les, surtout pour les techniciens. Je pense que euh, le comité ou bien la fédération de Techball doit nous accompagner dans ce sens-là. Voilà, je vous en prie.